ci ni mu xaaw a expliqué tuuti dellusi na ci législative bi ak coalition bi nga xamante ne moo war a dem ñu booloo ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon bon peut-être que bañ a ànd dem ci bannière Pastef rek mais ñu àndaloon. c'est-à-dire man man quand j'entends le président de la République parler quand quand j'entends le président de la République parler par rapport à certaines questions dama koy naw sur beaucoup sur beaucoup de points surtout sur la réconciliation sur la réconciliation parce que parce que parce est toujours parce que est toujours dans la réconciliation du peuple il est toujours dans ça donc la réconciliation du peuple le 3 avril ba tey le Mugamla kon yow d'accord nga au moins ci li mu wax ak commencement bi nee nga mën nga ko vocal mais. non non non dans son dans son discours mais sur les questions qu'on lui a posées parce que le président de la République du def discours à la nation di wax ci yenn points yi. suñ ko laajuloon sur les suñ ko poser wu des questions du wax ci l'affaire Bougane. mais mais mais, mais ouais, c'est vrai parce qu'on lui a posé on, des questions. suñ ko suñ ko posé wu des questions du wax ci Dakar Bougane. mais si on se limite sur sa déclaration. nak nañ njëkkee ci déclaration bi ñu taxaw ci dogu ñew ci. suñ si on se limite sur sa déclaration. mënoon na ko vocal.

la répétition est purement pédagogique maintenant dama jàpp ni prétexte de pour lui permettre de répondre sur certaines questions. parce que cette déclaration n'est que prétexte pour régler certaines questions par exemple la question de Bougan, mhm. la question de Samba mhm. la question de la réduction des comptes. Mhm. parce que trois questions moi. les questions étaient ciblées est-ce que tu comprends donc prétexte Bobu, maintenant sur les réponses sur la réponse des questions pour dire vrai Alima. oui. Euh, euh, quand j'entends le président de la République parler damay que son discours du 3 avril. mais quand même amul ci lu parce qu'il est dans la réconciliation. il s'est mis dans la peau d'un président de la République de tous les Sénégalais parce que nous avons nous nu mu Nous je suis le président maintenant la li li c'est lu son premier ministre d'accord parce que premier ministre a mhm. pour parler de pour parler de correctisme tu ci Tu connais côté nomination connais côté nomination Samba mhm. est-ce que tu comprends taxaway bi mu taxaw par rapport à bougan c'est le président de la République la wara don nek à équidistance des pouvoirs mom la la wax mhm. taxaway taxaway bi mu taxaw ci mbirum bougan mhm. taxaway bobu la wara am nek à équidistance mhm. des des pouvoirs parce que le pouvoir judiciaire il l'incarne pas il l'incarne pas même si il a essayé d'expliquer le pourquoi faut d'accord avec parce que il n'a pas à essayer d'expliquer le pourquoi l'arrestation de Bogan. n'est-ce pas sur la résolution des comptes aussi je suis d'accord parce qu'il il l'a tout le temps dit mm-hmm. il a tout le temps dit les gens bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. mais c'est bien de le dire mais le nu constaté moi avec euh, Ladjo, il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais Taroul, nous avons bloqué les comptes, récupéré IBM, confisqué IBM, confisqué IBM, nangam ça. Où se trouve la présomption d'innocence Il y a déjà un règlement de compte là. Pour le cas de, de Ladjo. Parce que quand le chef d'État parle de présomption d'innocence par rapport à la réduction des comptes et tout, que Ladjo bénéficie de cette présomption d'innocence condamner Gouniko, nous bloquer les comptes compte bancaire IBM, il y a problème donc cette présomption d'innocence n'existe plus avec l'Adio. n'est-ce pas mm-hmm. donc ñaari cadre gi baax mais démarche wuute na man fima, fima, fima, ko je te il maintient la réconciliation du peuple oui, il a insisté sur ça il a insisté sur la réconciliation du peuple. Sur la réconciliation du peuple signifie qu'il est le président de la République de tous les Sénégalais. Maintenant, ni andal, parti, bok, un militant, mais, pour le grade le plus élevé dans un parti politique, c'est le grade de militant. Mais il faut que nous mais pour je suis le président de tous les sénégalais Maintenant, c'est important de le souligner que ni avons mom, te mu nomé len, même su nous avons defoon leneen du terrain, du amul kenn comme ciy protéger dina tax yoon la c'est bien de le dire mais on a entendu le président de la République wax ñu ne dafa dafay déclassifier publier tous les rapports mhm. mais mais avons les rapports de l'IGE publier guñu ko ba léegi voilà ah, Parce que c'est à lui de déclassifier les rapports du GIE. Mais jusqu'à présent, ces rapports n'ont pas été déclassifiés. Mm-hmm. Donc, c'est des problèmes. wax di baxna, mm-hmm. wax di rafet mais jëf bi day outé. d'accord jëf bi day outé. su jëf bi outé nak, les gens peuvent se poser des questions. mais saluer. Mm-hmm cette déclaration de réconciliation avec le peuple. C'est important. Parce que le peuple a besoin de se réconcilier. C'est ça, c'est important. Mais, ak yenn a réconciliation bi dina parce que la réconciliation ne doit pas être un vain mot. D'accord.